je tiens à rappeler que ce n'est pas le hasard ce titre-là, Khadim, parce qu'en 1974, le 5 avril 1974, j'ai été le premier musicien chanteur à avoir chanté Serine Touba ici dans ce pays. C'était le 5 avril 1974. Il est important de rappeler ça à tous les Sénégalais parce que je n'ai pas l'habitude de parler de ça. Hein, je, l'ai dit de temps en temps comme ça, mais il est, il est temps qu'on remette les, euh, les choses à leur place. Parce qu'en 1974, je me rappelle, il n'y avait aucun musicien qui osait, je dis bien qui osait chanter Sentouba ici. Parce qu'il y en a qui, qui ne connaissaient pas Sentouba. Et un jour, il y a le feu Ndiouga Kebe, et la Ndiouga qui a beaucoup travaillé euh, sur le mouridisme, qui a beaucoup travaillé, euh, qui a beaucoup apporté énormément de choses à Touba, qui m'a dit, euh, au, temps du Sahel, qui m'a dit, est Touba. Je lui ai dit, mais c'est qui Touba Parce qu'en 1974, je ne savais pas qui était Touba, moi. Donc, euh, il, m'explique, il me parle de beaucoup de choses. Et là, il y a, quelque chose qui s'est euh, remonté en moi. Comme ça, il me dit, euh, je vais te recommander avec un vieux qui s'appelle vieux à la gueule tapée, qui va, s'enfermer avec toi pendant deux mois, qui va t'apprendre qui est Sentouba. Ainsi, je suis parti voir ce vieux Ousseinou à la gueule tapée qui s'est enfermé avec moi pendant deux mois et demi et qui a mis dans ma tête un message de Saint-Touba qui s'appelle Djassaoul Sokor, un livre parmi les, les de Saint-Touba, qui a mis ça dans ma tête et c'est là où j'ai appris beaucoup de choses sur, le, sur, sur qui Donc, euh, et tout a démarré là. Et quand j'ai chanté Saint-Touba ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est planté ici ci suma dënn bi te du fi jóg du deñ te du mës a deñ aujourd'hui euh, presque 50 ans après bu ma woyee Khadimou Rassoul euh, c'est c'est c'est simplement naturel et normal parce que Sëñ Touba affaire am du lu yàkkamti da koy teylu euh, et puis bu mu bu la ko bu la ko waxee rek bu la ko solee rek nga génne ko pour pour askanu murit yëpp askanu julit yep ak askanu Sénégal yëpp ak ak askanu monde bi parce que sëñ Touba il est partout boo demee Chine sax fekk fa sëñ Touba boo demee Australie fekk fa sëñ Touba te li may wax ni dama koy parce que euh, je voyage beaucoup beaucoup beaucoup à travers le monde et fu ma dem dana fa fekk sëñ donc euh, donc voilà en résumé ma relation avec le mouridisme, ma relation avec Cheikh Ahmadou Bamba. Khadim, je l'ai sorti il y, a, il y, a, une semaine et demie. Euh, c'est parce que, comme, comme je dis, man, suma affaire spécial je suis pas je suis pas dans la mode moi je suis pas un musicien de mode je suis un musicien qui travaille euh, depuis plus de 50 ans dans cette musique là euh, dara Douma comme ça donc je prends le temps de travailler sur sur les titres de travailler c'est ça fait une semaine et demie que Khadim est sorti euh, je l'ai fait pour euh, simplement pour cette semaine là accompagner le magal c'est-à-dire sous un del dolli dolli Gungeko ko comme Adie pendant une semaine comme Adie... ...qui m'a ci en 2019 quand je dis Bamba et Maudo... ...Maudo dit Bamba... nga dit Féoule Djung, c'est c'est simplement pour attirer l'attention au à nos à nos frères et sœurs musulmans de de simplement de de de respecter et de méditer à chaque fois ce que nous ont légué nos, aïeux, ces gens qui sont nos érudits, qui sont nos inspirateurs. C'est important de dire simplement, euh, voilà, qu'on remercie toutes ces, conféries-là d'appartenir à, une, à un seul idéal, à une seule pensée, à une seule vision, c'est Allah subhanahu et son prophète Mohammed sallallahu wa